Nigérien, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. et Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Kitari. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par Labis Rim. Nous avions parlé de l'artiste en question. Nous étions à l'hôtel Aujourd'hui, nous sommes à la boussole pour continuer ce que nous avions commencer. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de l'album Héritage. Nous allons parler des vidéos disponibles de l'artiste. Nous allons aussi réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler du buzz. Jamais touché, ce sont qui cartonnent à l'heure où je parle. Pour finir avec ce grand événement. Pourquoi le choix de la blousonne parce qu'il est né nous. Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs. Quoi dans un instant avec Boguneo. Hey. Ladies and gentlemen, nous sommes à la Blue Zone de Niamey, où donc on va se tenir. L'artiste s'exprime du studio Kalako À l'honneur, Kitari. Kitari, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Dans la rue, j'étais sorti marcher. Embrouillé par les problèmes de la vie, je marchais sans même savoir où j'allais. Et d'un coup, voilà une fille devant moi. La go, elle m'a coupé sur le chemin. Baby, est-ce que tu sais que t'es mignon? Pardon, Viens me passer ton numéro parce que je t'aime. bien sûr. C'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Nous sommes à la bouson pour parler en question de l'album Héritage. Décortiquons l'album. Héritage. Ouais. Parlons d'héritage. l'album Un de combien de titres déjà 13. 13 titres. Ouais. On peut aller avec quelques titres déjà connus du public. Oui, euh, il y a déjà Aye que tout le monde apprécie et que tout le monde connaît. Il y a One Dance également. Il y a Ateniga également qui est sur, l'album. Il y a Mardi Noir, le morceau que j'ai fait pour les, les, FDS. Euh, On va commencer d'abord par parler de Aye. D'accord. Aye, qu'est-ce que ça veut dire Aye Donc Aye, Aye c'est un morceau qui parle de mariage, c'est un morceau qui parle de joie, c'est un morceau qui parle de gaieté, c'est un morceau qui parle de... En fait, de du ressenti d'un jeune marié en fait. Tu, tu vois le premier mariage, tu sais ce que c'est. Est-ce qu'on peut avoir un, peu, <laughs> un extrait de Aïe sur l'émission Aya amana nirekeza muyo rayuwa hey. amana mukayi kuma mo okay. Yoramu ah, mua zutiya yaworamu zutia tara farin ciki yau muwadu rayuwa aye aye ah, Et ensuite, euh, un autre titre de l'album Voilà, donc euh, il y a One Dance. Euh, One Dance, c'est un morceau qui invite les gens à la danse. C'est un morceau qui est fait purement pour le fun, purement pour s'enjailler pour oublier ses problèmes parce qu'il faut ça également dans la vie parce que parfois il y a des stress qu'il faut évacuer et tout. Voilà. Super. Et un autre petit truc aussi de l'album qui a marché en dehors de ces deux qu'on vient à l'instant de kiffer Ateniga. Ateniga. Ateniga, c'est un morceau qui, parle de, de ce qui se passe de manière générale parce qu'il y a nos sœurs qui sont voilés toute la journée et tout, qui se retrouvent à sauter des murs et en jupe mini pour aller se retrouver en boîte de nuit avec de l'alcool, de la drogue et tout ce qu'il ne faut pas. Donc euh, c'est en fait, j'ai fait, j'ai fait cette chanson pour, pour parler de ça en fait. Donc tu t'assumes, soit tu fais euh, aux yeux de tout le monde, soit tu arrêtes parce que c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Alors, Mr. Kitari, on va parler cette fois-ci du buzz de la semaine. On va parler de ce son, on va décortiquer, bien évidemment, cette chanson. J'ai full envie, euh, n'est-ce pas, euh, d'entamer, euh, n'est-ce pas, cette question parce que cette étape, n'est-ce pas, de briser la barrière, aller en profondeur sur le fond du vent. Je parle sans ne rien dire, tu vois déjà de quoi je veux parler. <laughs> La chanson de la semaine, le buzz de la semaine, euh, cette chanson qui cartonne, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Tu vois de quoi je parle Jamais touché. Jamais touché. On va parler de Jamais touché. Qu'est-ce que tu racontes à Jamais touché Jamais touché, c'est un morceau qui parle de. C'est une petite histoire qui est racontée en fait à travers ce morceau. C'est quoi cette histoire qui est racontée à travers ce morceau, Mr. Kitari ah, Écoute, tous ceux qui tu vas tout dire aujourd'hui. Hein? Ah, on est en train de considérer que personne nous voit en fait. <laughs> Est-ce que tu peux me dire un certain nombre de choses ou bien tu vas préférer garder un certain nombre de choses pour toi ou c'est quoi Explique-moi un peu. Ce que je vais tu que Tu étais devant la maman, tu disais que tu ne l'as pas touché. Oui. Qu'est-ce qui me prouve que tu l'as pas dit, Je dis, oh, ouais. Euh, je dis. Oui. La chanson. Ouais. Je précise. Ouais. Je suis La chanson. Oui. La chanson ah ah. parle d'une histoire où une fille est fan des mecs et puis comme le gars la rejette. Attends, attends, attends. Fan de toi ou fan des mecs J'ai dit la chanson oui, Oui. La chanson. Mais attends, une histoire claire. <laughs> je parle. Bah, attends, c'est de toi que l'histoire. Mais il ne faut pas nous faire des jeux. Moi, je voudrais comprendre certain nombre de choses. Les jeunes qui kiffent cette émission à travers les radios partenaires du studio Kalangou, à travers le site du studio Kalangou, ils veulent aussi savoir comment est-ce que les choses se passent. Dis-moi véritablement, c'est entre toi et moi. Ça parle de toi. tu l'as touché ou pas je, je me maintiens là-dessus. Je me maintiens là-dessus, d'accord Tous ceux qui veulent savoir c'est quoi le fond de l'histoire, donc à me rejoindre le jour du, spectacle. Là, on va, on va se dire les vrais B comme on le dit. Mais Mangano quoi C'est ici ou... C'est à la Blue Zone. On va <laughs> parler, on va parler de, de fans à artistes. Et on va se dire, tous ceux qui ont des questions à, poser, ils auront leur réponse. La fille, elle sera de la partie Oui, pourquoi La maman aussi, elle sera de la partie Ah, c'est clair, elle, elle l'a annoncé déjà, donc... Euh. Et moi, je faisais aussi ton avocat, j'ai dit, mais j'avais vraiment voulu qu'entre client <laughs> et, avocat, voilà, qu'on ne se <laughs> casse pas les choses, mais jusque-là, tu n'es pas encore clair avec moi. Moi, je veux te prendre de hors antenne et après, on va voir comment discuter avec Carmen, si c'est toi ou pas. Et moi, je dirais aussi euh, la vérité, comme on dit le jour J. Le verdict va tomber. Voilà. Mais c'est qui t'arrive. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette rubrique et à chaque instant, à la fin, nous permettons à l'artiste de placer des mots. Alors, quel serait ton mot à l'endroit de tout ce qui nous suit depuis la Blue Nous sommes à la bouson de Niamey. Rappelons ceci, l'émission s'est délocalisée du studio Kalangu à la bousonne. Alors, tu vas regarder la caméra, tonton, tata, <laughs> mamie, papi, <laughs> tout le monde. Un mot de fin à ce qui concerne la rubrique L'artiste s'exprime. Kitari s'exprime donc sur le studio Kalangu. A À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nous écouter. Je vous dis merci. À tous ceux qui ont écrit un mot pour m'encourager, pour encourager l'initiative là qui continue et qui, et qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup la culture. Je vous dis merci. À tous ceux-là qui kiffent mais qui ne partagent pas, je vous dis s'il vous plaît, <laughs> partagez. À tous ceux-là qui ne kiffent pas et qui se retrouvent devant nous pour nous dire que euh, moi j'ai kiffé, changez le comportement. Dites ce que vous pensez. Merci beaucoup. Ainsi parle l'artiste Kitari. Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h pour vivre le deuxième concert de l'artiste Machine and Kitari Tolkit. Hey.